asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, damay tàmbale par renouveler sama fidélité au PASTEF di dëggal sama appartenance au parti PASTEF parti bi nga xam ne moo ëmb jàmbaar yi nga xam ne ñoom ñooy pour la liberté parti bi nga xam ne moo ëmb jàmbaar yoo xam dañuy xeex pour la dignité des Africains rawatina sénégalais yi parti bi nga xam ne dafay xeex pour li nga xamné ñun ñoko mom mu nekk suñu suuf ñu war koo jariñoo ay jàmbur di ci tek loxo en complicité avec des traîtres noirs yi bokku ci ñun parti jambar yoy ma ngi renouveler encore une fois sama appartenance sama fidélité à ce parti mbokk yi Pastef bi koy taxawal amna ay cadre yo xamné ne na te ba tay mom lañuy ñuy gis teggeekuwul muy président Sonko dafa waxone xam li ñuy xaar te xam li ñu yëkkati xam ne ku ko mës yëkkati faagaagal nañ la mu ne ku ragal a ñàkk sa liggéey képp koo xam ne da nga ragal a dem kaso képp koo xam ne da ragal ñàkk sa bakken boo yeboo taxawal ne parce que li ñuy xaar du sedd te loolu foofu la yegg nii te gis ngeen ne toroxal bu dul toroxalu jinne jéem nañu ba tàyyi faagaagal ko depuis 2016 ba léegi bàyyiwuñ ko te du tey lañ koy bàyyi kon mbokk yi parti bi nga xam ne dafa judd ñu jëkk see faat jigéen muy Mariama Sagna dàq nañ fi nit si seeni liggéey toroxal nañ fi nit si digg bëccëgu ndéer a kàmm ñu jël tout l'arsenal bu état bi teg ko si ndoddu benn nit xam nga ne du tey la bàyyi te ñu ngi jouer seen dernière carte kon mbokk yi dañuy fàttali loolu rek ci wax ne amuñu benn droit di dellu ginnaaw amuñu benn droit di sax seral waxuma laa di dellu ginnaaw mbokk yi président Ousmane Sonko wax na ko keroog dafa ne li des ci combat bi bareetul mais cela ne veut pas dire que dañu war a yoloma cela ne veut pas dire que dañu war a dellu ginnaaw parce que en général nit ñi nga xam ne dañu mës a xeex ba ci cappaandaw gi ñu perdre ko parce que dañu dem ba naagu naagu waruñu ñu éviter di déglu ñi nga xam ne dañ lay ne le président Ousmane Sonko sera le cinquième président waaw dëgg la gëm nañ ko mais lépp loo xam ne dañ la ko war a jox lépp loo xam ne sax yaa ko moom Dans les rires c'est pas le moment de baisser les bras c'est pas le moment de nous fragiliser c'est pas le moment d'hésiter parce que nous hésité wuñu ñu ngi jouer cette dernière carte Nous avons appelé ngi à la mobilisation nañu continuer sénégalais nous ngi fait des bu parce que depuis 2016 Si vous bu fekkee ne président Ousmane Sonko mu ngi taxaw ba léegi bu fekkee ne Pastef ngi c'est parce que sénégalais dañ ci un patriotes diable. dañ ko xeex mais nous ne mukk amna lo xamné dé ne de mu wax biñu génné ci événement mars néna au nom de ces morts au nom de ces blessés amatuñu droit dellu ginnaaw ñaari option lañu am fekki leen wala réussir le projet fekki leen sa barsak wala ñu terminer li nga xamné moy projet bi que loolu mo waxoon tay la gëna dëgg tay tey la taxaw parce que mi ngi ko wax au sortir des événements de mars té diggante mars ak léegi liñ ci ñàkk ci nit kenn xamul nu mu ñi ci toroxal kenn xamul nu mu toll kon tay la waxam jooju gën a am sens pour ne amuñu droit benn yoon di seral amuñu droit dellu ginnaaw lenn rek moo ñu war mooy poursuivre le combat tey le matin nouvelle bi bu mu génnee ñu ne président Ousmane Sonko mi ngi nekk aux urgences oui condition yi nga xam ne moom lañ ko jëlee condition yi nga xam ne moom lañ ko rek kenn mënu cee nekk ñu ne cette personne va bien je suis désolé mënu nekk kon mbokk yi nañu defaraat taxawaay defaraat toogaay yi ñu ñëpp ñu jóg dem yi ma ciy profité di woo sama mbokku jigéen ñi ñun ñoo gën a sonn jigéen ñee gën a sonn xale yi de si Méditerranée bi xale yi dee si yoonu Brésil bi ñoom suñuy doom lañu jigéen yi ami doom seen bakken bi fa des ndax ñàkk toppatoo hôpital boo xam ne amul matériel wala fi nga xam ne agent yi matuñu wala da ngay dem hôpital ñu yóbbalu feneen suñuy doom lañu ñi feebar si hôpitaux yi sonn fa lool suñuy doom lañu

La victoire est certes proche, mais nous devons aller la chercher. Et pour chercher cette victoire, il faut que nous augmentions la cadence. Il faut que nous augmentions xeex bi pour dire Ousmane Sonko si li mu nekk ñu mën koo gunge ba 2024 ñu def élection mu gagné ñu dugal ko palais. palais bi bu fekkee ne leer na mais liggéey moo ñu fay yóbbu te liggéey bi noppeegul kon mbokk yi les panthères mbokk yi mala bi nga xam ne moom la teg si panthère muy panthère bi nga xam ne moo nekk si logo Pastef bi dafa nekk mala boo xam ne dafa am ténacité dafa nekk mala boo xam ne dafa am détermination bu bëggee dara lépp loo xam ne daf ko yootu maanaam lu mu bëgg jot bu duggee si biir ndox da koy topp bu demee si ngelaw gi maanaam bu jaree tëb mel ni kuy naa da koy tëb jëli ko bu yéegee si garab mu topp ko rawatina li nga xam ne dafay dox si kaw suuf kon panthère boobu yow sénégalais bi may waxal yow patriote bi jàppal ne panthère boobu yow la yow patriote bi may waxal jàppal ne ki nga xamne mo moo war Ousmane Sonko feulé mu nekk pour ñu def ko 5e président du Sénégal jàppal ne yow la nañu éviter di wax ni diw lan la def ku ci nekk sa yoo xëyee na nga ne man lan la def pour le projet man lan la def pour le président Ousmane Sonko man lan la def pour xeex ñi nga xamne ño jakkal ñun té éviter wuñu dara pour faga gal ñu donc mbokk yi soyons beaucoup plus offensifs à commencer ci man mii kon maa ngi leen di sante di leen gërëm wa salam